Madame, Messieurs, bonsoir. Bienvenue au Forum de la presse, le rendez-vous hebdomadaire du studio Kalangou. Cette semaine, les sujets qui ont dominé l'actualité s'articulent autour des communes de Tassara et de Kintabaraden dans la région de Tawa au Niger, qui accueillent ces derniers temps des milliers et des milliers euh, de Maliens qui fuient leur pays sous la menace euh, des groupes armés. Ensuite, nous parlerons de la présidentielle au Nigeria. Les électeurs du voisin sont appelés aux urnes le samedi 25 février pour élire le successeur de Mahamadou Bouhari. L'actualité, c'est aussi les conclusions du 36e sommet des chefs d'État de l'Union africaine achevé dimanche 19 février à Addis Abeba en Éthiopie. Pour commenter et analyser tous ces faits, j'ai le plaisir de recevoir Maimouna Diado, journaliste indépendante. Maimouna Diado, bonsoir. Bonsoir Mokhtar. Garé Amadou, journaliste au quotidien La Nation. Euh, Garé Amadou, bonsoir. Et Abba Adimi, journaliste à la radio alternative. Abba Adimi, bonsoir. Bonsoir. À la modération, je suis Mokhtar Hamadou. Nous débutons le forum de la presse de ce vendredi 24 février par l'afflux massif à des milliers de Maliens qui fuient leur pays sous la menace des groupes armés vers les communes de Tassara et de Kintabraden. Une situation qui confirme une urgence pour le Mali et le Niger de travailler ensemble pour trouver une solution, explique le journaliste et analyste de la situation sécuritaire au Sahel, Sedi Kaba au studio Kalangou. Jado, situé à l'extrême nord de la région de Tawa, la commune rurale de Tassara fait face depuis quelques jours à une dégradation de la situation humanitaire. Comment expliquer cette situation mais <laughs> comment expliquer cette situation C'est, Vous l'avez dit tout de suite que c'est euh, l'afflux des, en tout cas, des réfugiés maliens. Des Maliens qui fuient. Oui, qui fuient, en mm, fait, cette insécurité, cette insécurité pour se retrouver ici au Niger. Et comme la frontière avec le Tawa, euh, et, Mali, et c'est une frontière qui est, qui est très proche, donc ça, ça les amène de l'autre côté. Parce que vers euh, la région de Tilaberi, c'est pas sûr que c'est réfugiés puissent rentrer euh, facilement avec ce qui se passe au nord de Tilabiri. Donc, de ce côté, ils pensent que c'est rassurant. Il y a déjà une accalmie. Oui, c'est rassurant. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire C'est de prendre des mesures aussi. Le Niger aussi doit prendre des mesures. Des mesures, oui, oui. Quand je dis des mesures... Pour assister. C'est pour assister assister ces réfugiés parce qu'on ne peut pas les renvoyer dans leur pays puisque ils, ont fui cette euh, euh, insécurité pour pouvoir trouver une stabilité au niveau donc du Niger. C'est-à-dire que cette zone déjà euh, est, stable. C'est le gouvernement nigérien qui doit les assister ou bien le HCR qui est une organisation internationale le, HCR doit, assister ces réfugiés, mais le Niger aussi doit prendre des, précautions, doit, doit être préventif par rapport justement à cet afflux. Donc euh, c'est au Niger de faire les premiers gestes. Oui, de réfugiés qui, viennent ici. Parce que, comme on le dit, aujourd'hui, on ne parle pas de, de gouvernement, gouvernement, mais on parle de population. Et ça n'a rien à voir, je pense bien, avec euh, soit les sanctions de, de la CDAO, soit autre chose, mais il faut regarder que ces populations n'ont pratiquement rien trouvé que de revenir de ce côté, parce que c'est juste pour trouver refuge, pour trouver euh, une tranquillité et également continuer de l'avant. Maintenant, les le HCR doit les assister. Le Niger, en tant que pays qui accueille ces, réfugiés, doivent également assister ces réfugiés-là, parce qu'on ne sait jamais. Nous autres concitoyens peuvent se retrouver dans un autre pays comme le Mali, ou pourquoi pas, comme l'Algérie et tout. Et c'est ça, en fait, les mesures préventives, c'est de savoir euh, qu'en rentrant, au Niger qu'il n'y ait pas aussi des menaces. de savoir qui rentre. Qui, rentre, oui, oui, qui rentre comme réfugié dans ce, au niveau donc, de Tassara. Parce qu'il ne faut pas que les groupes terroristes infiltrent également ces réfugiés qui s'y mènent dans notre localité, dans la localité de Tawa. C'est très important. Le Niger les autorités doivent être, très vigilantes. vigilantes par rapport à ça. Connaître qui vient et connaître qui est sur le territoire nigérien aujourd'hui comme réfugié. Le statut de réfugié, c'est vrai, euh, euh, euh, c'est permis de donner à, ceux qui fuient la guerre pour venir, mais il faut savoir, comme je l'ai dit, parce que c'est vraiment des, cases, des, des passages où ils peuvent être infiltrés à tout moment. C'est très important. Donc, du point de vue sécuritaire, des mesures préventives doivent être faites au niveau de cette frontière entre le Mali et le Niger, vers Merci beaucoup, Memoune Diado. Gare Amadou, selon le maire de Tassara, Ibrahim Mohamed, l'arrivée de ces réfugiés exerce une pression sur les ressources en eau et le pâturage. Que faut-il faire à court, moyen et long terme ce qu'il faut faire, c'est vraiment que l'État, euh, avec les partenaires, puisse euh, engager, des, en tout cas, prendre des mesures pour pouvoir euh, apporter de l'assistance à ces populations-là qui sont pratiquement en détresse. Vous savez, le Niger a la particularité d'être le pays, quoi qu'on dise, qui abrite les populations victimes d'insécurité. Vous n'avez pas des populations nigériennes qui quittent le Niger pour partir dans un autre pays. Donc, c'est déjà euh, très important. Oui, euh, parce que ça met à mal toute la rhétorique. Quand on dit aux, gens que oh le Niger, vraiment, la gestion de la question sécuritaire par rapport aux autres pays est différente, les gens pensent qu'on dit ça comme ça. Non. Ce que malheureusement, malheureusement, les faits nous donnent raison que même ces populations-là, le Niger accueille des populations de réfugiés du Nigeria, le Niger accueille des populations du, Mali, même des populations du Burkina. Tout le monde, dès qu'il y a un problème, il vient ici. Pourquoi Parce qu'ils se disent que c'est le pays qui gère mieux la question sécuritaire. Aujourd'hui, au Mali, une grande partie du territoire, le nord, échappe complètement aux forces armées maliennes et aux, éléments de Wagner. De à tel point que non seulement les terroristes ont chacun une portion dans laquelle ils, évoluent, n'est-ce pas Je parle de l'État islamique et le groupe de soutien à l'islamisme musulman, chacun a son tour. Et même, ils arrivent à se faire la guerre entre eux sur cet espace-là. C'est pour vous dire à quel point ces populations-là. Faites allusion à la zone de Menaka. Oui, la zone de Menaka et d'autres localités. Récemment, Yadagali était à Menaka, après il est parti à Gao, tranquillement tranquillement. C'est-à-dire, il a même fait des vidéos, il a posté. C'est pour vous dire que. Vous, avez des preuves Non, euh non, les vidéos ont été postées, c'est clair, je n'invente rien du tout. Et donc, vous avez une situation où les populations ne savent plus à quel sens se vouer. Et vers qui ils se tournent vers le Niger. Gary Amoudou, quand des réfugiés viennent avec euh, leurs animaux, est-ce là, il n'y a pas de problème Non, écoutez, c'est ce que Memouna a dit. Dans tous les cas, quelle que soit la situation, nous sommes contraints de les accueillir. Mais, c'est notre, nous, nous savons faire ça, le Niger, je vous dis. Ce n'est pas maintenant que le Niger a commencé à accueillir ces réfugiés-là. Depuis que, en 2012 ou en 2011, quand les djihadistes ont envahi le Mali, le Niger a commencé à recevoir les réfugiés maliens. Et il y en a qui, depuis longtemps, ils sont ici. les camps les camps de Tabarabaré. Mais bien sûr. Et ils sont là. Et heureusement, le Niger est appuyé par euh, les, ONG humanitaires qui l'aident à pouvoir gérer. Et c'est pourquoi j'ai dit que pour ceux qui est de Tassara, J'espère que le, cri d'alarme du maire va être entendu. Les ONG sont déjà là, n'est-ce pas Ces ONG-là savent qu'il y a une sorte de euh, d'urgence à partir à Tassara apporter tout le nécessaire en matière d'eau, en matière de santé, n'est-ce pas, en matière de vivre, et tout, à ces populations qui viennent pratiquement de Mini et surtout et même aider le, le pâturage parce qu'elles se sont déplacées avec leurs animaux. Donc, je crois qu'aujourd'hui, il, il y, a une autre charge, mais nous, nous prenons ces, charges-là. Je parle du Niger, nous sommes habitués à ça, nous prenons ça à, bras le corps, n'est-ce pas Nous, nous accueillons. Mais est-ce que le Niger peut accueillir euh, tout. Le Niger n'a pas le choix. Écoutez, ces gens-là n'ont pas demandé à venir ici. Ils ont été contraints par l'insécurité. Et à partir du moment où ils ont été contraints, ça, ce n'est que le début. Même si toute la population du Mali dit qu'elle va venir au Niger pour se réfugier, mais nous allons les accueillir. Parce que c'est une partie de nous. Quel que soit ce qu'on peut dire, quel que soit ce qu'on peut... On entend des trucs sur les réseaux sociaux où, des gens se mettent à attaquer les autorités nigériennes, ils les insultent. Mais malgré tout, nous, nous considérons que c'est la même chose. C'est le même peuple. Si toute la population du Mali traverse la frontière et vient, on sera obligé de les gérer. C'est clair et net. Il n'y a rien à faire. On n'a pas d'autre alternative. On n'a que ça à faire. Et donc aujourd'hui, moi, je, suis extrêmement inquiet parce que les informations qui viennent du nord du Mali ne sont pas du tout rassurantes. Parce que non seulement il y a la question du terrorisme, mais il y a une sorte de remobilisation des groupes rebelles les ex-groupes. Parce que vous savez, les accords. Le, quel groupe rebelle les, euh, signataires, Oui, les, signataires de des accords d'Alger de 2015. Vous savez, les accords d'Alger de 2015, il y a une certaine opinion publique malienne, n'est-ce pas, qui est en train de batailler pour qu'on puisse les rejeter. Le, le euh, Parce que moi, j'ai assisté à un débat justement avec, euh, avec Sédic Abba une fois là sur, euh, sur, sur, Twitter, un débat en ligne, dans lequel on avait évoqué ça. Comment est-ce que la gestion sécuritaire du Niger est différente de la gestion sécuritaire du Mali Comment est-ce que la gestion de la rébellion au Niger a été mieux maîtrisée que celle du Mali Le Niger aujourd'hui, c'est un exemple. Mais là-bas, ce qui se passe aujourd'hui, je vous dis, Mouktar, il y a encore il y a des réfugiés qui vont venir. Hein. Il y a des réfugiés qui vont venir parce que les groupes armés D'abord, ils voient que dans la nouvelle constitution malienne qui va être votée, on ne parle même pas de l'autonomie. de, non, parce que les accords ne demandent pas l'indépendance, mais des pouvoirs plus élargis au niveau des régions, une sorte de décentralisation. Mais ils ont constaté que dans la Constitution, il n'y a plus cela. Et donc aujourd'hui, ils sont en train de s'organiser non seulement pour assurer la sécurité de la zone, n'est-ce pas Ils sont en train de s'organiser, la plateforme et puis le, CMA, ils sont en train de s'organiser pour assurer la sécurité, mais en plus, <coughs> ils sont en train de, voir quelle attitude adopter par rapport aux autorités de la transition qui semblent dans une dynamique de rejet total des accords de paix Merci beaucoup, Gary Amadou, Abachari Arimi. Le gouvernement a-t-il les moyens pour techniquement apporter des réponses humanitaires à tous ces réfugiés vivant sur le sol national il serait bien de connaître l'ampleur du déplacement de nos frères. Euh, oui, après Tassara, Kintabrané aussi, la normal, commune de Kintabrané a accueilli C'est normal. Euh, vous pouvez même trouver que plus de la moitié, peut-être même euh, à la nationalité nigérienne, c'est possible. parce que il faut toujours tenir compte de l'histoire. Nos frontières, elles sont fictives, n'est-ce pas Elles nous ont été imposées n'est-ce pas euh, c'est pourquoi ça a commencé à Difa, n'est-ce pas Il y avait des déplacés internes, naturellement plus nombreux que les déplacés euh, étrangers, comme on dit entre guillemets, que les réfugiés. Mais euh, le déplacement en situation d'insécurité, ça s'impose. On le voit partout actuellement, les Ukrainiens qui sont partout en Europe, les Syriens qui sont partout en Europe. Et naturellement, les gens vont là où ça va mieux ça va mieux. Voilà. Et donc, euh, ils ont préféré venir du côté de Tassara, de Télia, parce que euh, ça va encore. Et donc, on espère que ça va aller euh, jusqu'à la fin de cette insécurité-là, de ce, de conflit. Sinon, ce n'est vraiment. Il n'y a pas à se casser la tête. On sait ce qu'il faut désormais, je crois. en 2015, il y avait plus de 400 1000 déplacés au Niger. Maliens, Nigériens et déplacés internes, on était autour de 450 000 déplacés. Bon, tant bien que mal, les gens ont pu faire face. Sinon, il est bien normal que les gens se déplacent avec leurs animaux, parce que même ça, quand ils se déplacent, souvent c'est bradé. Moi, j'ai fait des études de, de cas où des gens se sont déplacés avec des centaines de têtes, ils se retrouvent avec une ou deux têtes de brebis, de vaches, euh, parfois même avec rien du tout. Et donc, c'est ce qui va arriver. Et la pression sur les ressources naturelles, parce que ce n'est plus les... Parfois même, le, le mode d'exploitation change. Donc, l'État du Niger, qui que ce soit qui va aider à se déplacer, c'est à travers l'État du Niger. Et aujourd'hui, tellement il y a des déplacés de par le monde entier, et particulièrement au Sahel, que les organisations internationales sont avisées, et c'est même des organisations souvent qui sont spécialisées, qui préviennent ce genre de déplacement et qui parviennent à faire passe. On suppose qu'ils se sont bien préparés pour recevoir euh, ses frères et sœurs maliennes. Et puis, euh, voilà, l'État aussi, vous voyez, il n'y a pas beaucoup de bruit autour. C'est vrai que le maire, c'est une petite commune, euh, les gens doublent la population de la commune tout de suite. Bon, il faut bien qu'il y ait des investissements en bien alimentaires et non alimentaires, parce que c'est d'abord d'abri qu'ils ont besoin, ils ont besoin d'eau et d'assainissement, ainsi de suite. Bon, les gens vont faire face. Moi, je pense que vu le peuplement de cette, euh, de cette zone, ce n'est pas une zone particulièrement peuplée, que ce soit du côté du Niger ou du Mali. Euh, bon, ce n'est pas vraiment des millions de personnes qui vont se déplacer. Euh, c'est peu de personnes qui vont venir et il faut, pouvoir faire face. Et souvent, c'est la période d'urgence, c'est-à-dire les deux, trois premiers mois qui sont compliqués. Après, les, les ONG maîtrisent, après, les, euh, eux-mêmes, ils commencent à, comprendre le circuit. Et souvent, c'est des gens qui connaissent, ils ne sont même pas en fait dans les camps, ils sont dans des familles. Les familles accueillent plus que les camps généralement, en fait, c'est ça aussi qu'il faut se le dire. Donc, vraiment, ça va aller. Moi, je suis plutôt vraiment, c'est pour la survie de ces personnes-là euh, qui quittent leur terroir. Euh, voilà quoi. Merci beaucoup, à Rapidement, ah, Maimouna. Rapidement, ce que je voudrais surtout suggérer, c'est vraiment euh, que ces autorités commencent déjà à inculquer la vie en société, que ces populations de Tassara arrivent à déjà s'ouvrir à ces réfugiés-là, à rester en symbiose. Donc il faut qu'on travaille sur ça, qu'on arrive à sensibiliser, que c'est bien bon de rester dans la cohésion sociale. C'est très important la cohésion sociale. merci, merci à tous. On a servi une courte pause. Passons à présent au second sujet de ce forum de la presse. Le président en sortant, Mohamedou Bouhari, n'est pas candidat à sa succession. La constitution de 1999 interdisant à un président d'effectuer plus de deux mandats, son parti, le Congrès des progressistes APC, présente la candidature de Bola Tounoubou, tandis que le principal parti d'opposition, le Parti démocratique populaire PDP, présente à nouveau celle d'Atikou Aboubakar. Les candidats des deux partis traditionnels euh, sont cependant confrontés à la popularité grandissante de Peter Obi, candidat du Parti travailliste. Gary Amadou, que faut-il euh, comprendre ou retenir au sujet euh, de ces élections au Nigeria En tout cas, ce sont des élections qui sont complètement incertaines pour moi. Vous savez, au Nigeria, tout est géant. Incertaines, c'est-à-dire L'issue, personne ne peut vous dire. Bien sûr, il y a, il y a, quelqu'un qui est favori, c'est Bola Tinubu. Mais, euh, oui, voilà, qui, vient du parti présidentiel, voilà. qui est soutenu par le président, n'est-ce pas, et son parti. Et donc, on, peut, on peut a priori dire que c'est lui le favori. Mais il faut faire extrêmement attention. J'ai dit, ben, le Nigeria, c'est le pays du gigantisme. C'est pays dont on dit qu'il a une population d'environ 200 millions d'habitants, n'est-ce pas mhm. Et là, les votants, on vous parle de combien 92 millions de votants. Ce n'est pas nos petits 4 millions là qu'on voit. Voilà, 92 millions de votants. Voilà, donc, voilà, on dit, voilà, des inscrits, on parle de combien 146 000 bureaux de vote. Je je sais pas, etc. Et on dit qu'il y aura peut-être des bureaux de vote qui seront fermés pour cause d'insécurité. Ils, ne pourront pas ouvrir. Mais pourquoi j'ai dit que ces élections-là sont incertaines Vous avez deux candidats n'est-ce pas un qui est du nord, Atiku Abouakar, mhm. n'est-ce pas Et l'autre qui est de, de, la zone Yoruba. Mais ils ont la particularité d'être musulmans, ce qui est un atout au Nigeria, en tout cas. C'est-à-dire que a priori, on peut considérer que Bola va avoir le vote des Yoruba. Parce qu'au au Nigeria, le vote est pratiquement ethnique. Bon, dans la plupart des pays de la sous-région, c'est comme ça que ça se passe. Donc, euh, Bola va avoir le vote des Yoruba. Mais Bola va avoir encore des votes de musulmans, parce qu'il est musulman. Atiku va avoir le vote pratiquement du Nord, on peut le supposer. Mais celui qui est le grain, le grain de sable dans la machine, c'est Obi. Parce que les Ibo et consorts, là, bah, ils vont voter pour lui. Hein. Et donc, c'est pourquoi ils risquent de fausser le jeu. Est-ce que vous comprenez C'est-à-dire que la loi nigériane dit que pour être élu président, n'est-ce pas, il faut avoir plus de 25% hmm. de vote favorable au, premier tour. Voilà, dans, deux tiers oh des Des États. Deux tiers des États. Et donc, si on n'a pas ça, il faut aller au deuxième tour. Et quand on va aller au deuxième tour, eh bien, Peter Obi sera le faiseur de roi. Voilà la situation dans laquelle on est. Lui, euh, comment on appelle euh, euh, le, le, le, challenger de Buhari qui avait euh, mordu la poussière deux fois. Non, pas Bouhari. Ah, mhm. Il, il, il, pense que c'est son heure qui est venue, c'est sa chance. Mais ce n'est pas évident parce que le parti de Buhari, là, c'est pas un petit parti. Et on voit la campagne qu'ils sont en train de mener. Je crois que, moi, pour moi, en tout cas, le calcul que j'ai fait. oui, mais au Nigeria, est-ce que Buhari n'a pas déçu beaucoup de. Non, Buhari a déçu. Bouhari et, voilà la grosse déception. Buhari, c'est quelqu'un qui a dirigé le Nigeria à l'époque des régimes militaires. Vous comprenez et, il avait dirigé le Nigeria de même le faire parce que nous, on en sait quelque chose. Parce que je me rappelle qu'à l'époque où il était président, c'était la première fois qu'on voyait des Nigériens, Nigériens expulsés du Nigeria. Donc, c'est pas quelqu'un de très gentil, en fait. Et il est venu. Les gens ont pensé, face à l'insécurité qu'en faisant Elo Buhari. Comme c'est un militaire, oh, un ancien militaire, un général. Oh, Mais c'était la catastrophe. Voilà un président militaire qui ne peut pas gérer la question sécuritaire, où la question sécuritaire s'est complètement dégradée et au, Nigeria, à tel point où vous avez des terroristes qui attaquent Abuja, une prison qui libère des prisonniers. Abuja, une prison d'Abuja. La, capitale. Qui font des, mais qui interceptent des bateaux, qui enlèvent. C'est-à-dire, c'est une grosse pagaille. Moi, je dis que non, le bilan de, il y a eu les filles de Chibok, il y a eu quelques des enlèvements par-ci, des enlèvements par. Mais pire, ce que ah, au terrorisme est venu se graffer, le banditisme, c'est-à-dire les kidnappers, Le vol de bétail, les kidnappings. Les mais Buhari, c'est un échec pitoyable. Et pour moi, ça peut être effectivement quelque chose qui peut faire réfléchir les Nigériens. Pourquoi Les Nigériens ont élu Buhari pensant qu'il va avoir une solution. Buhari échoue. Et Buhari, il brandit un autre candidat. Est-ce que ça, ne favorise pas le, le, le candidat, de Atiku Les gens seront tentés de tester Atiku. Ils vont dire, ah non, euh, la carte de Buhari, non, pardon, merci beaucoup. Nous, on n'en veut pas, parce qu'on a vu ce que ça a donné. Euh, Ebola va venir, c'est la continuité. Ah non, vraiment, ça suffit. Et surtout vers la fin de son mandat, avec la pagaille au niveau de la, monnaie. bien sûr, non, la monnaie, oui, non, ça c'est une tactique. Vous savez, on change de monnaie, par contre, on considère Atiku a des caisses d'anciens billets dans son truc Pour faire la campagne. Mais bien sûr. Merci beaucoup, Gary Amadou. <laughs> Abachari Arimi, le président sortant Mohamedou Bouhari est l'objet de vives critiques, je le disais tantôt avec Gary, en raison de l'incapacité de son gouvernement à lutter efficacement contre la criminalité et les groupes armés, euh, dont notamment Boko Haram. Quelle est votre opinion à ce sujet Bon, je serais moins tranché que Gary. En fait, pour qui connaît le Nigeria, il l'a d'ailleurs dit, c'est un mastodonte. C'est 250 millions de personnes peut-être. C'est-à-dire le Nigeria à seul complète tout euh, euh, en Afrique euh, et c'est la plus grosse économie. C'est la première économie en Afrique, c'est la première vraiment puissance démographique en Afrique. L'avoir géré sous un régime militaire en tant que très bon dictateur, et sous un régime démocratique. Euh, c'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Mais pour qui n'a pas oublié euh, vraiment le déboire de l'armée nigériane avant son arrivée, et aujourd'hui, c'est quand même extrêmement différent. C'est vrai que lui, en venant au pouvoir, ça, que, vers son deuxième mandat, il a quand même. Euh, oui, non, sincèrement, il faut le dire. Et si de, à Difa et au Tchad, au Cameroun, on a une meilleure maîtrise euh, de la situation, n'est-ce pas, et une collaboration qui s'est très bien passée avec les autres armées nationales. Je pense qu'il euh, il y a un peu de Bohari aussi là-dedans. Euh, mais aussi, il ne faut pas oublier qu'il est quand même venu au pouvoir ici au Niger, on a beaucoup félicité le président Bazoum comme quoi c'est la première alternance. lui aussi, il est venu quand même suite à une première alternance et étant quand même de l'opposition. donc c'est extrêmement important. Maintenant, il est obligé de se baser sur Epici pour venir au pouvoir, n'est-ce pas Aujourd'hui, il rend la monnaie un peu euh, à Bola. Mais euh, Bola, il faut savoir qu'aujourd'hui, on les classe parmi euh, la première fortune au Nigeria. Alors que Atiku, on dit qu'il s'est appauvri. donc moi, je pense que si on peut estimer que la monnaie a été changée pour faire euh, mal à quelqu'un, c'est bien à, à, Bola, à mon avis, n'est-ce pas Et peut-être que euh, Buhari joue un double jeu, parce que c'est le plus riche, c'est celui qui a le plus d'argent et qui est habitué à distribuer pour venir au pouvoir. Il a soutenu pour qu'il vienne au pouvoir. Et peut-être que, vu qu'il a 76 ans, qu'il est extrêmement fatigué, qu'il est impliqué dans des tas d'affaires, dans des affaires de drogue et tout, peut-être que, euh, connaissant bien Boari, parce que sa probité, ça ne date pas d'aujourd'hui, c'est quand même ça, ça a été dit n'est-ce pas Et donc peut-être que euh, quelque part, il est aussi un peu sceptique à l'arrivée quand même de son poulain. Voilà. Donc c'est une situation extrêmement euh, compliquée. Nous, Niger, on a intérêt à ce que ça se passe euh, dans la paix et dans tout, parce que si la, situation au Nigeria, ça se dégrade, ça dégénère, c'est Difa, ces Zander, ces Maradi qui seront aussi envahis. Voilà, la moitié voilà, voilà, on a plus de 1500 km de frontières avec ce géant d'Afrique, et donc euh, on pense que ça va se passer bien. Parce que là, ils ont accepté la venue des observateurs de l'UA, de l'Union européenne, et donc on pense que ça va quand même se passer euh, très bien. Maintenant, parmi les trois, Peter, euh, on ne faut pas se tromper. Les spécialistes disent que le Nigeria, c'est le plus riche qui gagne. Pour le moment, le plus riche et qui a quand même la possibilité d'en distribuer encore, c'est Bola. Et donc, voilà, Bola va certainement venir. Et Peter, je ne sais pas si un travailliste a quelque chose à faire avec les deux qui sont vraiment euh, réputés être pourris quand même. Merci beaucoup, Abachari Arimi. Memoune Diado, quelles sont à présent les attentes des Nigériens et même des Nigériens au sujet de ces élections mais c'est d'abord la question, la question sécuritaire. Euh, il faut que le président qui sera élu soit quand même capable de, mettre fin à cette situation d'insécurité qui a tellement, en tout cas, euh, affaibli qui a affaibli une partie du Nigeria et qui est en train aujourd'hui d'affaiblir également une partie du Niger, puisque DIFA et le Nigeria, c'est à peu près la même chose. Donc il faut vraiment euh, un président qui aura cette euh, lourde tâche et, de mettre fin à cette insécurité, de ramener la paix au Niger et au niveau donc du Nigeria et une stabilité euh, au niveau donc du Nigeria et également l'économie. Comment est-ce qu'il faut aujourd'hui également faire en sorte de rehausser l'économie et de stabiliser l'économie. Donc, ce sont ces, attentes-là dont les populations ont besoin. Aujourd'hui, je, je, je, félicite hein, parce que c'est un pays, euh, un pays anglophone. anglophone. Les pays anglophones respectent en tout cas leur cahier de charge. Ça veut dire qu'ils respectent les mandats. Alors que c'est totalement différent dans nos pays africains, francophone où certains présidents jusque-là euh, cherchent à, à, vraiment, au, à mourir au pouvoir, à mourir au pouvoir, à être aujourd'hui des, rois et non des présidents. Donc je me dis que de l'autre côté, vraiment, il faut saluer cette, euh, euh, le dynamisme, en tout cas, qui a été donné au niveau donc, du Nigeria par rapport à, sa démocratie. Ensuite, comme l'a dit les autres, parce que au Nigeria, les élections, on a vu, c'est des surprises ils peuvent avoir des surprises. Hein. Ce n'est pas parce que c'est le poulain de, de, de, de Buhari, aujourd'hui oui, qu'il peut remporter. Non, et on peut, ils peuvent avoir des, calculs euh, tout bonnement qui peut être en faveur de l'opposant. oui, parce qu'aujourd'hui, c'est quoi C'est comme si quand vous prenez dans les pays que nous sommes, quand on voit un président qui fait, deuxième président, par exemple, qui fait ses deux mandats, et un autre candidat issu du parti, euh, du parti euh, politique qui représente aujourd'hui ce parti politique, mais on regarde d'abord ce que les autres ont fait pour pouvoir être confiant et aller faire les élections pour pouvoir emporter. Euh, mais si il y a déjà des critiques qui viennent d'un peu partout, qui n'est pas aussi, non seulement au Nigeria, parce que le président Bouhari est un peu critiqué un peu partout, c'est pas seulement au Nigeria. Donc ça ne donne pas aussi des chances à son poulain aujourd'hui d'être président, d'être élu président. Donc tant que les élections ne seront pas finies, <laughs> on ne pourra jamais dire que voilà un tel qui peut remporter. C'est toujours euh, la confusion au niveau des statistiques. C'est la confusion, parce qu'on regarde chez nous ici, avec 20 euh, millions d'habitants et combien d'électeurs, on n'arrivait pas à vraiment finir ça très vite. Et ça, c'est le Nigeria. Le Nigeria est en tout cas un pays le plus peuplé d'Afrique d'Afrique. Et je pense qu'il faut d'abord être vigilant. Et là-bas, on parle d'ethnie. C'est très important. On parle d'ethnie. Mhm. On voit aujourd'hui Buhari. Et, mais de l'autre côté, oui, en fait, c'est juste pour dire que c'est totalement différent. Les élections du Nigeria sont totalement différentes des élections que nous connaissons. Merci beaucoup, Memouna Diado. Euh, hein. Au Nigeria, on parle plutôt de Hausa Fulani. et on met tous les nordistes les Kanori, par exemple, pour eux, c'est des Hausa. C'est des Hausa, donc c'est des Hausa Fulani. Et donc, lui, c'est vraiment, le, Boari, c'est vraiment un représentant de Hausa Fulani, un Hausa de tradition et de. Voilà! L'autre chose que je voulais souligner, Rapidement. le rapport Niger-Nigeria, au plan économique, est tellement développé qu'on ne voit pas. Qu'on ne voit pas, mais vraiment, c'est un pôle extrêmement important pour l'économie du Niger. Et il faut ajouter à ça le chemin de fer qui quitte le Nigeria pour Maradi, à ce moment. Et ça, c'est vraiment lié certainement à l'histoire de Bohari lui-même, que beaucoup disent qu'il a des parents aussi au Niger, ce n'est pas étonnant. Merci beaucoup, Rapidement, ce que, je voulais dire, en fait, au Nigeria, eh, je crois que les élections ils dépassent même les, les, les, les critères ethniques ça va même jusquau dans les critères religieux. Les chrétiens, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas dirigé le pays. Et la seule fois où ils ont pu diriger récemment, non, enfin, la seule fois, c'est quand Cheikh Moussa Radoua est mort et puis Goodluck Jonathan a pris. N'est-ce pas C'est la seule. Mais aujourd'hui, c'est pourquoi je vous dis que euh, Obi, il a une carte à jouer. Parce que Obi sera le faiseur de roi. Et moi, je suis sûr que Obi va contrairement à ce qu'on pense, il va avoir beaucoup de voix de, de communauté chrétienne. Donc, il va avoir beaucoup de voix et ses voix vont compter pour l'élection du futur président. Et j'ai dit, pour moi, Bola Tinubu part avec un handicap, le bilan sécuritaire complètement désastreux, contrairement à ce que dit de Buhari ne va pas en tout cas lui, le, favoriser, ça c'est clair et net. Les gens vont vouloir essayer, Atikou pour dire ah non mais ça, euh, on va voir ce que ça va donner. Merci beaucoup à tous, on a servi une courte pause. Le 36e sommet des chefs d'État de l'Union africaine s'est achevé dimanche 19 euh, février à Addis Abeba, en Éthiopie. Les protagonistes ont adopté des dizaines de décisions, déclarations, résolutions et autres motions qui avaient été âprement discutées au sein du Conseil exécutif de l'organisation. Assoumana Azali, le président comorien, remplace donc le président sénégalais Macky Sall à la tête de l'Union l'Union africaine pour un mandat d'un an, rapporte le site d'information de Radio France Internationale RFI. Abachari Arimi, l'Assemblée a réaffirmé sa tolérance zéro face au changement du gouvernement anticonstitutionnel. L'Union africaine maintient qu'elle ne tolère en aucun cas les méthodes non démocratiques pour accéder au pouvoir politique. Comment mettre fin au changement du gouvernement anticonstitutionnel en Afrique ben, c'est eux-mêmes. Eux qui les, chefs d'État. Les chefs d'État. C'est eux-mêmes. Ce n'est personne qui fait ce qui, qui est en train de se passer. Ils imposent aux gens les coups d'État. Ils les provoquent eux-mêmes. On n'a qu'à regarder. À travers la, mauvaise gouvernance. La mauvaise gouvernance, euh, la mauvaise, le non-respect des constitutions, n'est-ce pas Ils se mettent euh, dans, dans, euh, ils se barricadent avec les forces publiques, n'est-ce pas Ils provoquent qui ils veulent il prolonge quel mandat Regardons dans notre zone ce que l'Ivoirien a fait. Est-ce que c'est faisable Après ces deux mandats, après ces deux mandats un troisième mandat. Oh, eh, tu concoctes, mais ça, c'est pas un coup d'État Parce que moi, je, je refuse de croire que le coup d'État, c'est juste quand des militaires prennent le pouvoir. Non, l'armée, c'est une institution de l'État, n'est-ce pas, qui, malheureusement, contrairement aux autres, a entre les mains la puissance de feu, n'est-ce pas Et qui lui permet de prendre euh, le, coup, le, Selon vous, donc, euh, le coup d'État en Guinée euh, n'est pas, pas, pas, pas, condamné En fait, non, ce pas, moi je suis anti-coup d'État. Mais tous les coups d'État, c'est ce que lui, euh, comment il s'appelle, euh, le, président, l'ancien président guinéen, Alpha Condé, c'est ce qu'il a fait avant que les militaires ne viennent prendre le pouvoir. mandats, il a changé la constitution. il a changé la constitution. Pour se maintenir ce que je reproche au chef d'État africain, n'est-ce pas Il le voit faire, il le voit faire, il le laisse faire il ne le condamne pas. Il y, a, mais il, y a eu des comités de médiation. Non, la médiation, ça ne suffit. Mais on peut mettre des comités de médiation avec les militaires aussi. N'est-ce pas On n'a qu'à dire que si tu fais ça, toi aussi tu seras banni de notre assemblée, tu seras on va fermer nos frontières, on va te faire on va prendre des sanctions économiques. Personne ne le fait. Il y a des chefs d'État. On devrait sanctionner euh, Non, c'est un le, problème. on devrait. On devrait. Mais parce qu'il a un certain soutien qu'on connaît, n'est-ce pas Il n'a jamais été condamné. Soutien par qui pas Par euh, ah, les bah, mêmes bah. chefs d'État ou par qui Mais écoute, c'est lui qui par ses pères. D'abord par ses pères, par ses pères, n'est-ce pas Et, lui-même, moi, je suis étonné quand lui peut se permettre de condamner les Ivoiriens, les, Maliens ou les, les Burkinabés. Il est pire. Parce que, heureusement pour lui, là, c'est une armée qui a connu récemment la guerre et tout et tout. Et c'est lui qui a mis tout en place. Il s'est barricadé derrière et puis ça a marché. Mais quand vous faites ça, et vous, c'est le voleur qui crie au voleur. N'est-ce pas Moi, je pense que c'est tellement simple. Moi, je pense qu'il n'y a aucun militaire qui oserait, dans ce contexte-là, prendre le pouvoir tant que les conditions ne sont pas créées par les gouvernants eux-mêmes. Quand vous érigez l'injustice en règle, quand vous érigez le vol, la corruption en règle de gestion, de mode de gestion, ça ne peut pas marcher. Si les gens ne font pas de coup d'État, eh bien, c'est l'insécurité que nous connaissons là qui risque de grandir. Parce que plus les gens sont frustrés, plus ils vivent l'injustice dans leur propre terre, mieux ils n'ont pas où aller mais ils ne peuvent que se réfugier ou derrière les coups d'État ou derrière l'insécurité. C'est aussi simple que ça. Merci beaucoup, Abacha Darimi, Memouna euh, samedi 18 février, les pays membres de la CDAO réunis à Addis Abeba avaient également décidé de maintenir leurs sanctions contre le Mali, le Burkina Faso et la Guinée et d'imposer en outre des interdictions de voyager aux membres euh, du gouvernement et aux représentants de ces pays. Quelles, sont, quelles seront les conséquences de toutes ces sanctions euh, pour les populations de ces pays concernés Mais c'est ça la question qu'il faut se poser est-ce que en prenant ces décisions-là, est-ce que euh, la CDAO, a réfléchi euh, par rapport à ces populations-là Parce que ce n'est pas la gente au pouvoir aujourd'hui. Non, c'est les bien les membres du gouvernement qui vont oui, c'est les populations qui subissent ces conséquences-là. C'est les populations qui sont en train d'affaiblir. Et, non les membres du gouvernement. Les membres du gouvernement, moi, je me dis que c'est des gens qui sont, ils sont tellement aisés, ils n'ont rien à cirer. Mais quand vous prenez des mesures concernant toute une population, tout un pays, des pays comme le Mali, le Burkina Faso et la Guinée, mais c'est grave. Et, je me dis que dans cette situation d'insécurité, vraiment, il faut alléger les choses. Nous, on cherche à lutter contre l'insécurité. Mais quand vous prenez des sanctions, alors que ce sont des pays aujourd'hui qui sont confrontés euh, par l'insécurité, il faut trouver le mécanisme de se rapprocher, le mécanisme de voir comment est-ce que <laughs> les pays réunis là peuvent au moins s'entraider pour pouvoir finir avec euh, cette insécurité au lieu d'aller à chaque fois prendre des décisions. Mais est-ce que la CDAO euh, elle seule euh, a les moyens pour faire face à, l'insécurité qui se vit dans nos États non, mais C'est ce que je suis en train de dire. La CDAO devrait réfléchir, réfléchir à voir comment est-ce que on peut amener, par exemple, à tel pays à amener leurs militaires, telle autre, euh, euh, je ne sais pas, des conventions entre d'autres pays pour pouvoir mettre fin à ça. Parce que plus vous prenez des décisions qui vont affaiblir ces populations-là, mais c'est plus ces populations-là qui sont touchées aujourd'hui, ce sont ces populations-là qui vont encore se rebeller. C'est-à-dire que. Ils vont se retrouver dans l'insécurité. Dans, au sein des groupes armés. C'est ça aussi notre inquiétude. C'est pas qu'on ne veut pas commettre des sanctions. Non, mais il y a plusieurs manières, en tout cas, de, sanctionner, De, sanctionner. Et comme l'a dit Armi, les coups d'État là, c'est pas que les gens veulent ces coups d'État-là, mais ce sont eux qui nourrissent ces coups d'État-là. C'est eux qui font en sorte que ces coups d'État-là arrivent aujourd'hui dans nos pays africains. C'est parce que tout simplement, il n'y a pas le respect de la Constitution, comme ils l'ont dit, et puis il n'y a pas aussi le respect équitable des ressources <laughs> les ressources là que nous avons là. Vous voulez dire que les ressources ne sont pas équitablement réparties Mais oui, mais oui, mais, c'est ça. Aujourd'hui, euh, dans ces pays là, qui peut dire qu'il mangent à sa faim qui peut dire aujourd'hui qu'il est bien soigné Qui peut dire aujourd'hui qu'il va à l'école tranquillement, ses enfants vont à l'école tranquillement. Donc, c'est toutes ces conditions-là qui ne sont pas réunies. Aujourd'hui, en mettant des sanctions, moi, je vois que c'est pas vraiment, c'est pas le moment de mettre la pression sur ces pays-là. Trouver le mécanisme d'amener ces, ces, ces, ces, militaires qui sont au pouvoir aujourd'hui, de rester sur une table de négociation et de voir comment est-ce que les choses vont avancer. C'est mieux que de faire, en tout cas, euh, mettre la pression sur des sanctions où c'est les populations, le bas monde là, qui est en train de souffrir aujourd'hui. Et quand vous regardez, <laughs> ça fait ni chaud ni froid. Hein? Surtout le Mali, là, le président Goïta, ça lui fait ni chaud ni froid. Hein. Lui, il, ne voyage pas. <laughs> c'est ça, c'est ça le problème. Lui, il est dans son coin là-bas, là. Les décisions de la CDAO, lui, peut-être il est même en train de rire, de, se moquer un peu. Mais je me dis que vraiment, ce n'est pas la, meilleure solution. Et, pardon, regarde ce qui se passe en Côte d'Ivoire, regarde ce qui se passe au, Sénégal. Ça, là, je pense que la CDAO a beaucoup de choses à faire que de venir mettre des sanctions à ces pays-là. Le Mali, le Burkina, et la Guinée. Guinée. Allez-y régler cette situation de révision de mandat de vos autres pères-là qui veulent rester coûte que coûte, en tout cas sur euh, euh, euh, le, trône ou bien parce que c'est un trône maintenant. Merci, on ne parle pas de fauteuil présidentiel. <laughs> Merci beaucoup, Mme Diado. Gary Amadou, parmi les annonces, l'organisation d'une conférence sur la Libye et la création d'une zone de libre-échange continental africaine. Elle a aussi maintenu la suspension du Burkina Faso, du Mali, de la Guinée et du Soudan quelle est votre propre opinion à ce sujet Oui, moi je, moi, je suis entièrement d'accord avec ces sanctions. Vous savez, euh, euh, si les coups d'État pouvaient régler quelque chose, il n'y aurait jamais plus de coups d'État dans un pays. On fait une fois et puis normalement ça suffit. Mais vous avez des pays où il y a plusieurs coups d'État. L'argument qui consiste à dire que la mauvaise gouvernance, non. Je pense que les militaires, dans leur compagnie, quand on les forme, on ne leur apprend pas à faire le coup d'État, on leur apprend à faire la guerre. Aujourd'hui, les pays du Sahel sont confrontés au, au terrorisme. Leur travail, là, c'est partir faire la guerre laisser les citoyens gérer les problèmes politiques et sociaux. Il y a la société civile. Non, écoutez, il y a les partis politiques. Moi, je pense que l'intelligence des Africains, on est en train pratiquement de se moquer de nos intelligences. Parce que vouloir dire que parce qu'il y a la mauvaise gouvernance, non, non, non, il faut que le militaire vienne prendre le pouvoir. Non, c'est comme si on fait la négation des partis politiques, on fait la négation de la euh, société euh, civile. Euh, Ce sont ces structures-là qui ne jouent pas le rôle. Voilà le problème. Les gens ne veulent pas prendre des risques. Il y, a des États qui ont été cités. Non, ah, mais écoute, ah, mais voilà le, voilà problème. Voilà le problème. Non, attends, attends. Vous n'avez pas la parole. Vous aurez la parole, vous aurez la parole. vous le Les gens ne s'assument pas, en fait. Voilà le problème. Les gens, ils se cachent, excusez-moi de leur l'acheter pour vouloir faire la promotion des militaires au pouvoir, mais ça ne marche pas. Ici, Amadou, deuxième chose, attends s'il te plaît. Des pays ont été, ont été, suspendus alors que le, Tchad n'a pas été suspendu ici. le Burkina, le Mali, la, Guinée et le Soudan. La CDAO, le Tchad, ne fait pas partie de la CDAO. Non, non, non, c'est l'Union africaine. C'est l'Union africaine. Moi, je, oui, pour moi c'était la CDAO, mais pour vous, c'était l'Union africaine. Les annonces de l'Union africaine, parmi les annonces, l'organisation l'organisation d'une conférence sur la Libye et la création d'une zone de libre-échange continentale africaine. L'Union africaine a aussi maintenu la suspension du Burkina Faso, du Mali, de la Guinée et du Soudan. Oui, parce que c'est des mesures qui ont été prises déjà avant. C'est pas maintenant que les mesures ont été prises. Elle a maintenu les suspensions. C'est pas aujourd'hui qu'elle a suspendu ces trois pays-là. Vous faites comme si c'est au, cours de ce sommet-là. Non, ce sont des sanctions qui ont été maintenues. C'est ces suspensions qui ont été maintenues. Et moi, j'ai dit, je comprends. Parce que pourquoi On n'a pas confiance à des régimes dont on a l'impression que ils veulent un peu euh, euh, soit traîner les pieds pour ne pas finir les transitions, ou bien que le leader de ces régimes-là veulent se porter candidat à les élections. Donc, euh, ils sont méfiants, ils n'ont pas confiance. Et pour le cas du Tchad, mais c'est un Tchadien qui est, secrétaire permanent de l'Union africaine. Moussa Faki, un opposant pourtant de débit. Et donc si son truc n'a pas passé, c'est que c'est les pays qui ont jugé. rapidement, ah, donc, Merci beaucoup, Gary moi, ce que je veux dire, actuellement, par exemple, il y a la question de la retraite en France qui chaque semaine amène les Français à battre le pavé, à dire ce qu'ils pensent, n'est-ce pas mm-hmm. Et personne n'est blessé, personne n'est inquiété, tout le monde va chez lui pour dormir tranquillement. Au Niger, par exemple, si tu fais ça, c'est un problème. Même t'autoriser à faire cette manif, non, euh, si tu es courageux, sors affronter. Ah euh, on veut que. Non, je vais finir quand même. Tu m'as dit de, m'as dit de laisser finir. Tu me laisses finir. Je suis obligé de hein? mettre fin à ce débat. Voilà Merci beaucoup. Merci à tous. Nous sommes au terme de ce forum du studio Kalangou. Merci à nos invités, Memouna Diado, journaliste indépendante. Merci à vous, Gary Amadou, journaliste au quotidien La Nation. Merci Merci à vous aussi, Abakari Arimi, journaliste à la radio alternative. Merci aussi à vous tous, chers auditrices, auditeurs, téléspectatrices, téléspectateurs, pour votre fidélité au programme du studio Kalangou. Rendez-vous samedi et dimanche de 17h sur nos 52 radios euh, pour suivre l'actu des jeunes suivis de tous à la FADA. Et à partir, et à partir de 18h15 samedi, suivez le forum en et dimanche celui en Zarma. Merci beaucoup à la technique côté son assuré par Amina Hassan, à la réalisation Seini Isaka. C'était Mokhtar Hamadou à la modération du forum. Merci, au revoir.